haka shirin duka mu haɗu fada da studio kalangu take shirya ma duka matasan Niger kuna tare da Aminu Kuta kullum Rabi Mai Kano. Je suis ravie de vous retrouver, c'est tellement fun d'avoir des coins où on peut parler de nos préoccupations, n'est-ce pas hein? C'est super, hein Absolument. <laughs> Vous le devinez bien, nous sommes entourés de jeunes de tout âge venus de plusieurs coins de Niamey. Zan, zan zanta da su mu ga irin rawar da suke takawa in an ci gaban in ana zancen ci gaban ƙasa menene suke yi ya kuke

Ça va Ça va, ça va, Dieu merci. Tu vas bien Je vais bien. Tu représentes les jeunes et les enfants Oui. D'accord. On verra à quel point tu les représentes. <laughs> Nous avons également Sidi Mohamed. Il est du Conseil national de la jeunesse. Merci, Rabi. Genre, si je te vois, quoi, tu règles tous mes problèmes en tant que jeune. Non, je ne règle pas les problèmes, je contribue à la résolution ah, ah, oui, ok, c'est bon, on va voir. On verra ça. <laughs> on verra ça. <laughs> vous allez bien très bien. Ça va tout le monde Oui, ça va, tout autour de nous, on a des jeunes qui peuvent euh, réagir, qui peuvent poser des questions sur l'émission tout au long de l'émission. Comme d'habitude, nous aurons des témoignages, des questions d'auditeurs, des pauses musicales. Enfin, nous recevons Olivier, fraîchement venu de Lomé avec sa chronique. Euh, le 12 août, ça vous dit quelque chose Autour de moi. Ça vous dit quelque chose le 12 août là Oui. Euh. Ah bon Oui. C'est vrai que le lundi tout le monde était occupé avec sa viande et tout, mais quand même c'était un truc hein, pour nous les jeunes. C'est quoi euh, Ça représente, euh, c'est la journée internationale de la jeunesse, donc c'est vraiment une chance pour nous, une opportunité de nous exprimer sur les réseaux sociaux, aussi dans nos communautés pour qu'on sache que les jeunes nous sommes là et que nous contribuons aussi. <laughs> Dis-moi ton nom quoi, t'es tellement active, dis-moi ton nom. Tu t'appelles Aboubakar Rachida. Vous l'avez compris, le 12 août passé, duka kasashen duniya nous les jeunes, on célébrons Matassa. Donc pour et justement c'est une occasion qu'on a saisie pour parler de nos préoccupations, du rôle qu'on joue et de notre contribution dans le développement du Niger. N'avons-nous pas coutume de dire que les jeunes nous sommes l'avenir Oui. Ah, demain. C'est vrai. Bien sûr. Ah, nous sommes l'avenir. Nous sommes le présent et l'avenir aussi. nous sommes le présent et l'avenir aussi, pas ah. seulement dans ah, les actions et dans les mots aussi. La population nigérienne se caractérise par sa jeunesse. Genre au Niger, Vous voyez à quel point on est vraiment, on est là, on est partout, on est présent. Donc là, on va essayer de voir à quel point on est présent. C'est juste le nombre ou c'est on est vraiment dans les choses, quoi. on est dans l'action. <laughs> Même si la majorité de ces jeunes n'ont pas vraiment accès à une éducation de base, Hmm. Mais avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, dites-nous Qu'est-ce qu'on a comme potentialité au Niger Papus, dis-moi, on a quoi comme potentialité ici Bonjour d'abord à tous. Euh, je dirais que la jeunesse nigérienne est active d'abord et qu'elle réagit du moins sur tous les plans. Donc je peux aussi dire que comme potentialité, voilà, comme potentialité, la jeunesse intervient dans pas mal de secteurs et, sont aussi, et que la jeunesse est active. Voilà. Sidi, Sidi Mohamed, on est comment, nous les jeunes Nigériens Ma sœur Rabi Mekano, je pense que la jeunesse nigérienne est un modèle parce que nous croyons à notre potentialité, à notre talent. Euh, et en, train de mener toujours des activités au quotidien pour le développement de ces pays-là. Comme vous le savez, nous avons des jeunes qui ont des talents dans tout, dans le sport, mm, dans l'entrepreneuriat, dans tout. Ah, ah, matasan mu Niger kan matasa ne wanda suke gudun kaman guzari a komi ma kasa su za su gwada kamar su ne a gaba ibrahim mm. dimuwa mi muke da kuma potentiality eh. avec duka potentiality kin garke gare mu qu'est-ce qu'on peut apporter qu'est-ce qu'on apporte bon ina yan cewa gaskiya matasan mu na nan kasar mu ta Niger yanzu gaskiya mun dauki conscience on a pris conscience des problèmes matsalolin da suka shahe mu a kowane fanni muna kamo kamar muna gwada ƙoƙarinmu mun kun ɗauka hakan ga wannan ƙungiya ta mu ta CCNAG a duka aikin da muke yi muna yi ne saboda mu ga ci gaban yara da matasa su ma kenan akwai wannan matsaloli na arman yara da kullum ne muke yaƙi biskan shi kenan abubuwa da yawa ana iya ca buku mhm. de plan la jeunesse nigérienne, elle prend conscience et puis elle, agit. Quoi. Elle agit. Vous, êtes d'accord Oui, est-ce qu'on on sent notre euh, potentialité comme ils le disent là Vous êtes d'accord oui. oui. on peut dire ça parce que dans, sur, tous les domaines possibles qu'il y a au Niger, les jeunes, nous nous intervenons et nous donnons aussi euh, notre voix, nous faisons entendre notre voix de sorte que les gens, les autorités, tout le monde sache que oui, nous avons la voix et que notre voix doit être entendue et que nous devons être pris en compte dans toutes les décisions nous concernant pour que nous puissions apporter notre grain de sel pour que nous puissions faire évoluer les choses. Alors, vous sentez qu'on peut, nous, à notre niveau, qu'on peut faire quelque chose Oui. C'est comme Rachida, elle a dit, les, jeunes et Ali Hermanan euh, mhm. C'est comme Rachida a eu à le dire, les jeunes, ils sont partout. Ils ont pris conscience, que ce soit les jeunes filles et les jeunes hommes. Tout le monde a pris conscience, tout le monde a un petit travail, un talent où il peut intervenir. Les jeunes de maintenant, ce ne sont pas des jeunes fainéants ou autres, ce sont des jeunes qui sont prêts à tout pour, actifs pour le développement du pays. Alors là, on est top là. <laughs> on est vraiment top. C'est vrai que on, se plaint souvent qu'on n'a pas accès à tel poste, ou un poste qui est une responsabilité. Nous avons un poste qui est une responsabilité, parce que nous avons un problème qui est aiki et tout ça là. Mais il y a des secteurs de, tu sens que pas plus. <laughs> Oui. Mais il y a des secteurs de où tu sens que c'est les jeunes, quoi, tu vois, que c'est nous qui faisons bouger les choses là-bas. Bon, euh, la plupart, ça, c'est sur les secteurs où c'est les jeunes eux-mêmes qui, qui, qu'ils entreprennent, qu'en fait, qui, créent leur propre entreprise et essayent aussi d'amener d'autres jeunes pour qu'ils puissent évoluer ensemble. Sidi, j'ai envie de réagir en fait. Vas-y Sidi. Voilà, merci mm. de cette opportunité. C'est quoi en fait il n'y a pas un plan, j'allais dire, en tout cas un plan majeur qui fait développer le pays où les jeunes n'interviennent pas. Dans l'agriculture, c'est les jeunes. Dans la politique, c'est les jeunes. Qui fait campagne, qui fait meeting, qui fait bureau de vote, c'est les jeunes. Qui fait la guerre, c'est les jeunes. Qui, est embarqué dans la guerre, c'est les jeunes. Qui est victime de la guerre, c'est les jeunes. Moi, je pense que les, jeunes sont sur le front, ils sont sur tous les domaines, ils sont au devant. Et quand tout à l'heure mon frère parlait de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, qui entreprend, c'est les jeunes. Qui recrute les jeunes, c'est les jeunes. C'est kan gaba a komi kuma mu ne ke ɗauka matasa mu sa aiki paske mu ne ke kirayen ƙungiyoyi muna tsara su muna aiki da su don abu ne mai muhimmanci mhm. wallahi haka nan ne yadda ya haɗi cd yanzu matasan ƙasar tamu nan niger gaskiya mun ɗauki mun samu hankali kama abubuwan matsalolin da suke shahe mu yanzu in kun tsaya kuka di ba kamar da ba a da gaskiya matasan mu sun sa kama finiyantisim cikin harkokinsu amma yanzu babu harkar feniyantisim kowa ya kama jikin kowa ya kama jikin shi yawa <laughs> yawa a kowane irin fani zaka ga mutum amma ko matsala guda kana yan samun proje ka yanzu tuve ke kama proje in nan wani ya kama ma shi amma sai ka ga inda ka taika ajiye gashi nan dosiye inka on va essayer de t'expliquer que kama abin da kake so kai ile biza abin nan naka sai a ce ma kama bai da muhimmanci alorki que in inka ne sai tuwa qui sai ce que tu peux faire de ça amma sai amma ana wannan shine ga sa matasa suna nan ga kamar kasala suke samun kasala nan ga jin abubuwan da kake yi oui mais maintenant genre c'est eux-mêmes les jeunes d'eux-mêmes ils cherchent les voies et moyens pour arriver à leur fin, quoi. Tu vois, non Donc là, maintenant, finalement, c'est même à notre niveau, quoi. Maravi, moi, je pense que les jeunes Nigériens aujourd'hui ont pris conscience que, en fait, l'avenir leur appartient. L'avenir, c'est eux qui décident de l'avenir. Et c'est pourquoi les jeunes sont dans les échelons de prise de décision. Quand tu prends aujourd'hui, moi je suis en fait, on est tous pressés de voir dans notre pays 2021. Pourquoi Parce que tous les gens ont pris conscience qu'en fait, le changement vient d'eux. Et pour faire le changement, il faut rentrer dans les partis politiques, il faut faire la, la politique, il faut changer les choses au niveau communal. Il faut participer à l'élaboration des PDC. C'est quoi les PDC C'est les plans de développement communaux, les plans de développement départementaux, les plans de développement régionaux et les PDS. Et là, Donc, on, la jeunesse, est partout En fait, la jeunesse a pris les choses à, à bras le col. Et je pense que, je vous assure que dans quelques années, vous aurez, on aura plus de changements. Parce que la prise de conscience est au top. Elle est, au top. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas, en fait, comme on dit en Hausa, tantama quoi. Il n'y a pas de. bam de tantama quoi. On pense que. de de Je pense mhm, que mhm, la mhm. jeunesse il est responsable. Il faut juste la responsabiliser. et aujourd'hui, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise voilà ce qu'il faut faire. On fait nous-mêmes et on s'assume, on fait. Et vous allez voir les résultats dans deux ans, trois ans, dans cinq ans. Et vous serez surpris. Euh, moi, c'est Haman Abdelkader. Je suis totalement d'avis avec, les interventions des uns et des autres. Mais moi, en fait, ce que je trouve également, c'est que euh, les jeunes sont plus qu'intéressés parce qu'actuellement, euh, on est impliqué dans les qui nous concernent, dans les mouvements qui nous concernent. Mais moi, là où je trouve encore un petit paradoxe, c'est au niveau de, de, nos, de nos communes rurales. Par exemple, les jeunes, quand tu, quand tu vois un jeune voler, c'est quand, quand il vit dans les communes urbaines. Mais dans nos communes rurales, nous avons un problème que nos jeunes, nos frères qui sont dans les villages n'évoluent pas. Hmm. Peut-être que je pense que... Plus précisément, même euh, nos jeunes soeurs qui sont au village, ils n'ont pas encore cette opportunité de pouvoir évoluer, de pouvoir étudier et aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse nigérienne est parvenue à maintenir un certain équilibre dans la gestion du pays, mais je trouve qu'un travail reste à, reste à faire encore dans les communes, dans les villages, pour que également nos sœurs qui n'ont pas encore l'opportunité puissent avoir également cette occasion de saisir leur, de réaliser leurs rêves. Un peu plus tard, on va parler avec vous les structures là. On voudrait bien savoir qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes justement. Vous êtes censé les représenter. Est-ce que vous êtes à fond. Est-ce que ça, se passe Comment ça se passe Comment vous arrivez à les, booster Mais avant, nous rappelons aux auditeurs de notre antenne radio partenaires qui ne sont pas encore abonnés à notre fil WhatsApp qu'ils peuvent réagir et recevoir nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 54 de suna vous le savez, dans Salafada, c'est aussi de la musique. Nous profitons de cette première prose musicale pour rendre hommage à DJ Arafat. Côte d'Ivoire Écoutons Moto Moto le DJ Arafat. Ah. Sérieux, la musique africaine a perdu un grand monsieur. Il était au Niger en 2011, c'est ça Pour un grand concert là. Ok, le

À la fin aujourd'hui nous sommes avec Maman Cheikh Ibrahim du CCNEJ, cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. <laughs> Ah là là, on vous sent bien là. Nous sommes également avec Sidi Mohamed, il est du Conseil national de la jeunesse. C'est notre représentant national. <laughs> Il représente toute la jeunesse. Il représente plusieurs fois. Ah. <laughs> Super. On est aussi avec Papus Temogo. Papus Temogo, Shimane et Gayetium, on gauche de Salam. Papus Ça va T'aimes bien le truc, tout ça, la fada. T'es à l'aise là Tout le monde est à l'aise Oui. C'est bon Ok. On continue alors. Autour euh, de cette table, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons le Conseil national de la jeunesse, le cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Tout Ibrahim, qu'est-ce que vous faites comment, comment vous arrivez à booster ces jeunes Même si nous ici en ville on est super actifs dans les villages, dans les régions, ils n'ont pas eu cette chance de, comprendre les choses et de saisir les choses comme nous, les opportunités et tout. Comment vous faites pour communiquer votre énergie à ces jeunes là Bon, à ce muna yin cewa faɗakarwa ne muke yi sensibilization paske ba mu da intin yanzu mu je a ce yanzu a ɗauka a cikin ƙauye a ko wani faran ko ko fami da suke cewa busu son sa iyan su mu da ikon da za mu ce dole ne su tura su abun abin da muke iya yi sai soyan ag sensibilization ne muna yi kowace irin dama muka samu muna amfani da daman nan don dai mu aika mu. kwanakin baya a wannan side event ɗin da aka yi na union africa. mun samu mun wajen wannan side event ɗin da muka tai wajen sada event in ina akwai wa'ansu fulakar da muka ɗauka a hannu muka nuna ma shugaban kasa da lalle muna so kamar yawancin mata kun san babban matsalar yanzu me ake cewa gare wajen 'yan mata ne namiji yawa namiji shi sai ku ga cikin fami ana gwada bambanci ana barin namiji ya idis karatun shi amma mace daga kin kai wani istad kamar wani wani eh. daga kin kai wata shekara kawai wani wani ad sai a ce bari hmm. a ce bada ki gare army to wannan abun gaskiya mu bai nan ga man daɗi asusun AG muna yaƙi da wannan kama wannan bambanci da ake yi paske abu ne da yake ne yana taushe 'yan mata bisu nan ga samun zuwa ci gaba su kai kama su nuna kuzarin su ga abin da suka iya tunda yanzu in kun ɗauka hallau kuma ko cikin ƙauyukan nan da nake gaya muku bamu da incin da za mu taimace ma uwaye su sa ɗiyansu da kwal sensibilisation kaɗai ne muke sensibilisation ina ita kaɗai ce muke yi a a mu sidi ko kuma kuke kuke pour toucher ces jeunes qui sont pas <laughs> nous ici dans, en ville nous maintenant notre préoccupation n'est plus vous, vous, vous êtes vous avez compris, vous avez été à l'école, vous êtes <laughs> vous êtes euh, même des animatrices, <laughs> Non, nous on a plus ce souci avec vous. Vous, êtes déjà nous, en fait, le Conseil national de la jeunesse, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le présent, le présent dans toutes les communes du Niger, ah dans tous les ah, départements du Niger et dans chaque région. Et on a un bureau national. Donc nous avons 338 bureaux. Ces 338 bureaux sont composés de 13 membres chacun. Donc imaginez cette population-là qui est dans les, communes, dans les départements. Donc à travers ces canaux-là, ces canaux-là, nous, nous transmettons nos messages, nos sensibilisations, nos formations à travers eux. Comment on fait Ba matasan da cikin region ko na 'yan karkara ko na na gundumaki. Gundumomi. Ko ta ina ce dai inda kasar Nijar. A gure ina da problem ina ita. Dai gure ma babban birni ne mana. Ina zancen miki gunduma kamar ina zancen ƙauye karkara ma. Duka karkara muna da wani matashi ko wani gungu-gungu ko kuma wani biro. na tunan matasa kuma suna aiki kuma kun san yau ana sata ma kamar matasan karkara ba su gane ta ba kuma ba shiga cikin tsarin ta ba a kai yau kan magyawaye kina shi ko mhm. me yasa dan ko ina a cikin gundumomin da inda fada waga da kuke gani mm. can ba fada suke ba a'a kamar asusasun suke kare ko kuma wata kungiya ta su ta ci gaban kama jihar oh, su ko kuma Gunduma su ko kuma kin su don yau matasa na karkara suna taruwa suna haduwa domin su yi kama su ɗauki wata gona su yi eh, nomanta kuma su samu cimaka hmm. kun gane su sai da su samu wani abu yau matasa na suna sayan bisashe a karkara suna yin kiwon su kuma su sai da yau kama da aka yi sallah yau bikin matasa na suka samu eh, kama albarkacin wannan sallah don sun sai da kama bisashen da suka kiyo don kai matasa sun samu sun su cikin wani tsare-tsare wanda yau mu muka taimaka musu muka sa cikin tsarin kuma su ci gaba da kansu da kansu suna cin kan eh, karan su babu baka kuma wanda kun gane <laughs> don abu ne muhimmanci don pour revenir c'est pour te dire que aujourd'hui les jeunes surtout les jeunes ruraux sont en train de s'organiser bien sûr bien sûr ces jeunes là <laughs> ils nous représentent ils représentent la jeunesse D'accord. maintenant comment tu sens est-ce que tu sens tu te sens toi en tant que jeune Nigérien, quoi, tu te sens accompagné, tu, te retrouves en eux ah Oui, oui, je me retrouve, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire le camarade Sidi. Ah Effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, avec la création de plusieurs associations, de groupements de jeunes, je vois que la jeunesse est active et la jeunesse a pris conscience aujourd'hui. Les jeunes ne font que créer des choses. Avant, bon, on disait que la jeunesse nigérienne ne veut pas travailler. Si tu as un diplôme, tu veux forcément avoir le travail de ce diplôme. Maintenant, les gens ont compris que ce n'est pas le cas. Il faut chercher, il faut taper quelques portes pour voir si quelque chose peut tomber de ce côté. Et les gens sont en de créer. Il crée. Vraiment, maintenant, la jeunesse a pris conscience et nous sommes là en train de. voir un jeune avec tous les diplômes qu'il a. Peut-être que, je sais pas, il crée une petite boutique ou bien essaie de créer quelque chose qui va au moins lui apporter de quoi je venir à ses besoins. Quoi. Là, maintenant, la jeunesse, a je me retrouve vraiment avec Je pense que ce qu'il dit est vrai. Et maintenant, nous avons des jeunes autour de nous. <laughs> voilà. <laughs> Ruki, amène-moi micro par là. Toi, je veux que tu me dises. Dans, avec toutes ces structures des jeunes qui, sont censés, tu vas défendre nos intérêts, tu vas nous accompagner, nous former, faire notre promotion. Est-ce que tu te retrouves en eux Oui, je, me, retrouve en eux, vraiment. Hmm. Et ça me, je suis comblé de ça, quoi. Actuellement, la jeunesse euh, nigérienne, on a besoin de... Il y a un manque d'emploi, mais quand même, on n'a plus conscience. Ce n'est plus le cas d'avant. On essaie de faire le mieux. C'est l'État qui ne nous, qui nous donne pas le courage. Quoi. Mais à ton niveau, toi, tu es motivé. Vraiment. Et puis... C'est sur la base de, des sensibilisations, des messages qu'ils partagent. Exactement. C'est venu, c'est personnel quoi. Non, oui, je vois ça sur les réseaux sociaux autres. C'est vraiment un mouvement. Tu te présentes et... Voilà, moi c'est Haruna Hambali Shamsia. La, la, jeunesse a pris conscience maintenant. Kenan kamata yayi kuma a ba mu ƙarfin gwiwa da ya kamata mu yi develop kin potential kin potentiality kin mu. Mun san muna da shi yanzu. Wada Ibrahim ya gai ba mu iya kamar mutanen karkara su ba mu iya cewa dole ne sai mutum ya aika dan shi al equal amma muna iya mu sensibilize kin mutum mu ce mishi wani a wanga da ya kamata ga abun da yarinya in ka aika ta equal wanga tana iya ta yi apporte kin contribution kinta cikin society kenan ya kamata ko kuma a yi kreye kin da center de formation saboda 'yan mata saboda 'yan mata kamar wani dimki dimki kamar wanga abokin namu da ya gaya shi yake cewa à y créer une entreprise. Il faut toujours avoir un plan B. Un plan B, un, plan, C, un plan D, ben, un plan B. Un plan B, Tout le monde mu iya cewa dole qui mu an yi a gare eh, mana kenan ya kamata gaskiya ba jeune Dans la fada d'aujourd'hui, on sent la motivation, on sent l'engagement des jeunes. On retourne la musique avec un jeune engagé, c'est El Il a chanté Je suis l'IFA ». On l'écoute. Phoenix. « 227 J'étais ce militaire prêt à servir son pays, prêt à honorer sa patrie. Mais je suis aussi ce père de famille, à qui à la fin la guerre aura tout pris. J'ai embrassé ma femme et mes gosses, en leur disant que c'était juste un au revoir. Mais le destin était différent, je ne savais pas que je n'allais plus jamais les revoir. Je suis parti fier les armes à la main, rejoindre mes frères à des On y va. suis parti faire les armes à la mer, rejoindre mes frères On y va. Premier jour sur le champ de bataille, courage et détermination. Pour le Niger, pour la nation, il n'y aura pas d'hésitation. Il n'y aura pas d'hésitation. <laughs> Ça, c'était Phoenix, euh, je suis Difa, un jeune euh, artiste nigérien très engagé. Retour à la FADA avec nos invités, Sidi Mohamed, CNJ, Ibrahim. CCNEJ. CCNEJ. Voilà, vraiment, c'est Gigi, la jeunesse, elle est à pas là. <laughs> qui nous accueille aujourd'hui. Donc maintenant, on voudrait bien savoir ce que vous, vous faites, ce que les jeunes à l'intérieur, ils font. Ensemble, l'impact, c'est palpable tu irin secteur un secteur, je sentir impact les actions qu'on mène bah. l'impact réel le premier impact je vais commencer autour de cette table là mhm. tu penses que réunir les jeunes comme ça là si on n'avait pas un travail qui a été fait au préalable il n'y avait pas une prise de conscience il n'y avait pas un travail tu penses que le va nous inviter à sa non je pense que l'impact est déjà là. Un premier impact. Deuxièmement, tout à l'heure, on parlait du dynamisme des jeunes. Les gens sont dans les, champs, les gens sont dans les, entreprises, les gens sont dans les startups, les gens sont dans la technologie. Ils sont champions partout, ils sont des, des alphagas. Donc, je pense que il y a des ressources, il y a la matière, il y a le talent. Et le talent là, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, qui a été mené souvent par des particuliers, souvent par l'État, souvent par les associations, souvent par les CNJ, souvent par les CNJ, souvent par les médias, par les médias et, et <laughs> tout ça là par l'engagement de tout un chacun à voir son pays se développer. Je pense que il y a un impact qui est positif, qui est réel, qui est palpable, qui est là. Certainement, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a un mais on ne peut pas finir de travailler. Un travail, c'est-à-dire construire une nation, c'est dur, c'est à long terme. Aujourd'hui, je pense que pour être ce que nous sommes, nous avons suivi un processus. Je pense que c'est un travail et on est en train de faire le, processus et le cheminement. J'espère que ça va arriver d'un moment à l'autre et que notre pays sera hissé à travers cette jeunesse dynamique. Regardez comment les énergies sont développées ici, sont conjuguées. Je pense que c'est extrêmement une fierté pour nous. En tout cas, moi, en tant que jeune, je me retrouve aujourd'hui autour d'une table où il y a la FADA de... à parler de, de, notre vie, de notre avenir, de ce que nous avons fait, de l'impact de nos préoccupations. abun muhimmanci abu ne wanda ya kamata a karfafa a ƙara danganta zumunta dangantaka ta zumunta wanda ya kamata ci gaba dai donc don shi yasa yau za mu ci abu ne wanda yau deja mun ga akas kamar da aka ce kare aka yi sunan gidan su ya kai bai ga akas ba don mun mun ga akas donc mun ji dadi muna ta maha muna ta maha partage avec les autres avec les jeunes eh, je pense que je pense que le Niger le Niger est en train de faire une école je pense que comme vous avez dit vous allez diffuser dans 38 radios je pense que c'est pas seulement au Niger donc ce qu'on est en train de faire là va impacter d'autres pays mhm. et c'est extrêmement important et je vous encourage davantage mhm, mhm. merci Sidi pas oui. tu es d'accord avec euh, oui moi je suis d'accord avec lui, mais je ne veux pas manquer de quoi ajouter aussi sur ce qu'il vient de dire. Je pas plus. Voilà, la jeunesse, elle est engagée, nous sommes tous d'accord. Nous sommes engagés, nous sommes dynamiques, nous nous mettons dans tout ce qui bouge, n'est-ce pas Voilà. voilà. Mais moi, ce que je vois, et que maintenant les choses vont revenir à l'État. toi aussi dois voir que maintenant la jeunesse nigérienne s'est activée, la jeunesse est active, la jeunesse veut amener un changement, la jeunesse veut amener sa contribution dans le développement du pays. Alors il faut même qu'il pense aux jeunes, il faut qu'il laisse la place aux jeunes, qu'il faut qu'il donne des micros aux jeunes. Je ne parle pas de ce micro que nous avons autour de la table, mais des micros, c'est-à-dire donner la parole, laisser les jeunes parler, dire voilà, amener aussi leurs idées, parce qu'on ne va pas aller de 90 ou même de 60 à aujourd'hui continuer à œuvrer la même chose, non. Il faut qu'il y ait un changement. Si on a compris, alors pourquoi ne pas nous laisser aussi amener, réellement concrétiser ce que nous avons ici, le changement. vous savez ce qui est bien et vraiment qui est impressionnant, c'est pas que c'est pas que les mots, comme on le dit tout à l'heure, c'est pas que les mots, c'est aussi cette générosité qu'on a, c'est aussi cette envie de partager, mm-hmm. même, même le matériel, vous voyez, non mm-hmm. C'est vraiment fou. Voilà, tout doucement, on est en train de tirer vers la fin de cette émission. C'est vrai qu'on est ensemble, que c'est bien, que c'est fun. C'est vraiment un bon cadre. Mais <laughs> on n'a pas tout le temps pour et tout ça. Je vous demande d'accueillir notre chroniqueur Olivier qui vient directement de Lomé et il nous apporte sa chronique, ses bons conseils et tout Allez, merci beaucoup l'équipe, vous êtes vraiment gentils, c'est très sympa, c'est magique, hein. merci à vous. Oli, tu nous as trop manqué, je te jure. Je t'assure que vous m'avez manqué aussi et je suis très heureux de vous retrouver, le micro, l'équipe, en vrai, tout le monde m'a manqué, ravi. Dis-nous, t'as quoi pour nous aujourd'hui la bonne nouvelle est que nos amis de Studio Tamani à Bamako ont lancé officiellement le programme Jeune. Fatoumata Togola nous donne plus de détails. Alors, euh, pour commencer, le 17 août, euh, le Studio Tamani a décidé de mettre la jeunesse à l'honneur à l'occasion de son sixième anniversaire. Donc, euh, il y a un méga concert qui sera organisé pour les jeunes à l'ex-Babemba, le cinéma magique, à partir de 16h. Également, et également des représentants de la Fondation hirondelle pour un peu expliquer euh, le rôle de la Fondation Hirondelle dans son implication de la résolution de la crise à travers Studio Tamani. Et vraiment, ce programme est là pour eux. Voilà, tout est dit. Elle était au téléphone avec Abibou Garba. Parlons culture à présent, Oli. Oui, de la culture avec un deuil. Le 12 août, 11, Didier Rion s'en est allé. L'enfant béni Didier Arafat, la star du coupé décalé, l'artiste compositeur, interprète et vrai griot de son temps, c'est-à-dire le vrai griot des temps modernes, le Yoruba, le Daishikan, l'homme aux multiples facettes et noms, et aussi concept, Didier Arafat a rejoint les ancêtres suite à un accident de moto. Selon les informations relayées ça et là, l'homme sur sa grosse routière a percuté une voiture d'une journaliste de la radio et télévision ivoirienne. Pendant que l'homme gisait au sol, le premier constat fut ceci. Didier Arafat roulait sans casque. Ce jeune influent de sa génération est parti à la fleur de l'âge, 33 ans. D'abord, on croyait à un buzz, mais très vite, on a compris que le chef du coupé décalé s'en est allé. Toute la Chine, comme il aimait appeler ses fans, s'est effondrée. La leçon de cette légende urbaine est double. D'abord, il a montré à sa génération qu'on peut quitter le ghetto et être au sommet grâce à son talent, sa créativité, bref, sa témérité. J'ai grandi dans le ventre de ma mère avec du bruit. Ah Parce ah. que mon, euh, chez, mon chez moi, c'est-à-dire chez mon père, c'était un restaurant, une boîte de nuit, un maquis, c'était un studio d'enregistrement. Une autre leçon capitale à retenir, c'est de toujours porter un casque sur deux roues, à moto, mais aussi à vélo, car le port du casque n'est pas du style ou de la mode, mais une condition de survie en cas d'accident. Ils sont nombreux à perdre la vie par simple négligence ou imprudence dans la circulation. Leur point commun, accident de moto, sans casque, l'amour du risque, tous des jeunes. Les amis, vivons sagement, car nous avons tous autour de nous des gens pour qui nous représentons un espoir. Merci à toutes et à tous ceux qui veillent au port de casque. Que l'âme de Didier Arafat repose en paix et que sa mort nous serve de leçon. Amen. Amen. Vraiment, Oli, cette tragédie nous a tous marqués. Alors, Olivier, quelles sont les formations que tu veux partager avec nos jeunes Trapka, Trade Policy Training Center in Africa, offre une bourse de master en politique de commerce international et droit de commerce en Tanzanie. Les candidatures des femmes sont vivement souhaitées. Une belle opportunité pour les jeunes femmes pour décrocher leur master et ensuite un emploi on ne sait jamais. Bien sûr que oui. Sur le plan national, dans la région de Zinder, la Croix-Rouge nigérienne recrute une sage-femme et Save the Children recrute un agent de terrain polyvalent. À Niamey, le Radisson Blue recrute des cuisiniers superviseurs de restaurants, des mi-chefs de parti, etc. Merci, on se prend la semaine prochaine. Restez concentrés sur vos objectifs et gardez l'esprit ouvert. D'ici là, portez-vous bien. Merci Oli pour euh, tes infos et tes, tous tes bons conseils. Merci on est ravis de te retrouver. Merci ravi. <laughs> Donc, il ressort de cette discussion, de cette fala d'aujourd'hui. C'était intense. C'était, on a parlé et puis vraiment, on a compris l'engagement des jeunes jusqu'où ça va, la générosité des jeunes, c'est en vue de partager ce qu'on a, que ça soit matériel, que ça soit notre énergie, les idées. C'est vraiment la jeunesse nigérienne, elle est non, c'est bon, On, peut dormir. On, on, peut, on, peut, se dire qu'on peut dormir tranquille, quoi. Genre, on est vraiment là, ensemble les uns pour les autres, et on va y arriver. Donc, là, avec lui, il sera question des défis auxquels font face les jeunes. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 pour participer à nos émissions et recevoir nos contenus. Kada de commenter du aiko mana kuma tambayoyinsu a bisa kallon bamu ta WhatsApp 80 sifili shida 88 54 sai mun kara gamuwa a cikin wata fada.